Père céleste, nous te remercions pour nous avoir amenés à cette section. Nous demandons que tu nous parles la parole à toute personne et que nous puissions entendre de plus en plus jusqu'à ce que tout le monde est prêt jusqu'à ce que tu viennes. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. pour vous asseoir maintenant. Nous lisons, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je lis à partir du verset 1. En de le message, le thème est la vigilance pendant que d'autres dorment. Le mort entier dorment. Ils sont inconscients. Ils ne sont, ils ne sont pas conscients des signes. Pendant que le monde dorme, L'Église doit être éveillée. Et l'Église doit être, éveillant. Et quand nous parlons de l'Église, il y a l'Église visible. Jésus-Christ a parlé de ça. Il a parlé de cette Église euh, visible. Ça veut dire que c'est le filet. Le filet qui est jeté dans l'eau, qui va prendre beaucoup de poissons. Et quand il en amène toute chose pour qu'il voit, il examine cela et il sélecte les mauvaises, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est mauvais, et il le jette dans l'eau, et ce qui est bon, il garde ça pour le pêcheur. Et cette, cette, ce filet-là, cette, ce filet-là, c'est l'église visible mais nous, nous parlons de l'Église dans la grande Église. ça veut dire que l'Église, l'Église invisible. Et ce sont, ce sont les gens qui connaissent, qui savent que Christ est mort pour eux et ils vivent dans l'expérience de la vie de Christ. Cette Église est éveillée et la grande Église dort. Euh, euh, la vigilance pendant que les autres dorment. Les gens de la même congrégation, il y a d'autres personnes dehors d'autres congrégations. moment où on néglige et on, refuse de faire la différence. La congrégation est une grande assemblée qui amène beaucoup de personnes. Et certaines de cette congrégation, certains ils sont éveillés, certains sont éveillés, certains aussi dormants. La retraite comme ça qu'on amène nous amène à une congrégation, beaucoup de personnes dans beaucoup, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'originités. D'autres sont vraiment des, vrais chrétiens et d'autres sont seulement que des, des, des chrétiens de retraite. Ils sont seulement pour augmenter la population. ça peut être que ceux qui dorment, mais d'autres sont éveillants et ils regardent, ils sont vigilants. Voyez, on parle de quoi De la vigilance. Tu peux décider, tu peux décider quel groupe, quelle assemblée, qui tu vas faire part. Ceux qui, sont en train d'être éveillés, ceux qui sont éveillés, nous savons que c'est eux qui seront ailleurs nous savons que d'autres personnes sont éveillées et d'autres dorment. Avec cette compréhension dans 1 Corinthiens 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 1, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et, et ils n'échapperont pas. Il y a des gens qui sont des écrivains et des auteurs. Il y a d'autres personnes, on les dit, qui sont des enseignants et des prédicateurs, qui ne disent que avant que Jésus-Christ ne vienne, avant que le Seigneur ne vienne, il y aura, il y aura un grand croissade dans tout le monde entier qui va balayer tout le monde dans le royaume euh, des de cieux. Et Christ, avant parce que Christ viendra pour cette église, euh, selon eux, ils disent que Christ, Christ, Christ vient pour une grande église. Il vient pour une église réveillée. Et ça veut et euh, presque tout le monde entier sera balayé et amené dans cette euh, selle, dans ce ciel-là, dans ce, royaume. Et Jésus, lui-même leur donne une lumière et les discussions des menteurs. On, les, on en lit ça plusieurs fois. Dans le jour de Noé, c'était la minorité qui fut sélectée. C'est au, jour de euh, au jour de Noé, c'est fut la minorité. Et quand, quelqu'un vous demande, est-ce qu'il y a peu de personnes qui seront sauvées Et Jésus a répondu, a dit, eh oui, cherchez à ce moi, afin que vous pouvez entrer. Parce que il y aura beaucoup de personnes qui chercheront à y entrer, mais ils ne pourront pas. C'est pour la parole de Dieu nous, nous, nous rappelle. Quand ils vont dire, ils diront, ces, personnes, ces écrivains, ces auteurs-là, ces enseignants-là, ces prédicateurs-là, ces faux prophètes-là, quand ils diront euh, paix et sécurité, et il y aura une soudaine destruction sur eux, comme une femme qui travaille, qui est enceinte, qui en travail avec un enfant, et ils ne échapperont jamais. Il dit, mes frères, il dit, mes frères, mes frères, mes frères, mes vous frères, vous n'êtes pas dans la solitude pour que Judas nous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. nous, nous ne nous sommes pas dans la nuit ni de la l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas. C'est ça Alors, ne dormons pas comme force de sécurité. Veillons et soyons sobres. Veillons et soyons veillons et sobre, veillons et soyons euh, sobres, car ceux qui dorment, veillons. Il dit, dit, ne dorment pas, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, sont, sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas assigné au courroux, nous, nous, croyons de courir, mais de, au courroux, mais à obtenir, à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous soyons réveillés où que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vous trouvez ceci là, ce mot dormant, ici dans beaucoup de parties, beaucoup de parties dans cette partie que je viens de vous lire, verset 7. Et ça parle de, ça parle de, ça parle de quoi la, euh, le, sommeil naturel, on dort pendant le jour, on dort pendant la nuit. Quand le corps est fatigué, est fatigué, alors on dort. C'est le, le, sommeil naturel. Mais verset, il dit car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, et ils vont dans les nuits de club, les nuits de club, les classes de nuit, dans les siècles de nuit, il y a une, un sommeil naturel. Il y a un sommeil naturel vous, êtes vivant, vous êtes aussi éveillant. On ne parle pas de la nuit. On ne parle pas de la, fatigue, euh, physique. On parle que de spirituel. Vous n'êtes pas conscient des signes du temps. Vous n'êtes pas, n'êtes conscient de ce qui se, qui se passe autour de vous. La venue de Christ est tellement imminente. C'est tellement imminent. Vous ne pensez pas à ça et vous, prenez votre vie comme la vie est toujours éternelle. Ça peut être que vous mourrez demain, mais vous n'êtes pas conscient de ça. Vous n'êtes pas concerné à votre temps, que, que votre temps sur terre est tellement illimité et vous, vous êtes dormi spirituellement. Parce par conséquent, ne dormons pas comme le font les autres. Comme, comme font les autres. Il dit, ne sois pas ces personnes qui sont inconscientes. Il faut être conscient des choses qui sont autour de toi et sois conscient que, que tout ce qui va, ce, ce qui va venir, va, ce qui va arriver, va arriver. Toi, soit tu es prêt ou pas, ça te, va te surprendre. Ne dormons pas. Soyons sobres. Écoutons l'esprit. Sachant ce que l'esprit dit. L'éternel nous montre les signes en ce moment-là. Faut pas que nous, nous dormons. Ça parle de la, de, la, de, sommeil spirituel. Sommeil spirituel. Il y a aussi l'autre euh, manière de se dormir. Ça veut dire quoi Dormir perpétuellement, complètement. Et voilà. Esaïe et Isaac s'endormit avec ses pères. Et Joseph aussi fut endormi avec ses pères. Ça, c'est une sommeil, c'est la sommeil perpétuel, complètement. Et ce sont, ce sont des sommeils que les gens prennent et ils ne reviennent plus encore. C'est ça que la Bible parle. Il dit, ces personnes sont endormies en Christ. Ça veut dire qu'ils sont morts. Verset 10. Qui est mort pour nous, ça parle de Christ. Ah, enfin qu'il soit que, que soit que nous soyons réveillés ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Il dit, si nous, si nous mourons en Christ, nous, vivons, nous, nous dormons en lui. Si nous sommes éveillés, et il vient aussi dans l'enlèvement, nous sommes avec, alors on va, on va se lever, on va aller avec lui. Soit nous sommes avec les gens qui vont mourir avant que Christ ne vienne, nous dormons maintenant, nous dormons en Christ. Et quand il vient, les morts en Christ seront ressuscités et nous sommes aussi, oh, ou bien nous sommes parmi les gens qui sont réveillés, qui sont en vivant Quand il vient, nous serons tous transportés avec lui dans le ciel, dans les nuages. C'est pourquoi il dit ici que, et ceux qui dorment perpétuellement, il y a, ça veut dire, il y a numéro 1, euh, le la, sommeil naturel. 2, euh, sommeil, sommeil spirituel. Et trois maintenant, sommeil perpétuel. Verset 1. Le, les passages passage, revenons au passage numéro 1, on parle de la venue de Christ. Mais au moment, aux saisons et la saison, au moment que personne ne connaît. Mais au quant au temps et aux saisons, frère vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Ça parle de qui de la venue de Christ, de la venue de le, Seigneur. Et à cause de cette certainité, à cause de la prophétie, à cause de l'assurance que nous avons que Christ va venir, Christ reviendra. Il ne faut pas dormir, il faut être éveillé, il faut être sobre. Et pour que ce jour-là ne, ne, vienne en surprenant, parce qu'il viendra sur les gens du monde sans avoir été conçu sans qu'ils ne se rendent compte de ce qui se passe, de ce qui se passe. C'est pourquoi le Seigneur te appelle, toi et, moi, toi et moi, tout le monde, à être éveillé. Alors on parle la vigilance pendant que d'autres, dorment. Trois choses. Un, les guerriers, les guerriers perdus, perdus à travers, à travers, à travers la guerre charnelle. à travers la guerre charnelle. Nous ne, nous, battons pas tellement charnellement. Nous sommes des soldats en Christ. Nous sommes des soldats. Alors, il faut tellement endurer toutes choses. Nous sommes les guerriers. il y a des guerriers qui sont perdus à cause parce que à cause à cause de la charnelle de, de, sommeil euh, sommeil naturel alors il dit l'avertissement contre la condamnation la condamnation de soi dormi, la condamnation de soi dormi, ou bien du sommeil, euh, personnel. Tu es averti, tu te rappelles qu'il ne faut pas dormir de certains groupes de personnes qui dépendent sur toi. Et le t'a dans la grâce pour que tu aies la responsabilité aussi. Et maintenant, tu es devenu, tu es devenu, tu es devenu, tu penses toi de toi seul. Peu de, peu de fatigue, de, fatigue, peu de fatigue, peu de feinte, peu de faiblesse. Tu ne considères pas, tu ne considères pas la somme que Dieu t'a donnée. Et à cause de cette, euh, de, cette chose que tu veux, tu sois seul, tu vas, tu vas t'endormir. Et maintenant vient, quelque chose vient, et quelque chose de négatif, quelque chose euh, négatif, quelque chose négatif, qui va, qui, et vient maintenant et détruit et, et se passe avec les autres personnes. Ils sont maintenant, ils sont euh, avertissement contre euh, la condamnation du sommeil de soi. 3. Et en pas de quoi Être éveillé. Il faut des gens qui s'en foutent. Et vous ne faites, tu ne fais pas ce qui est euh, important. Tu t'en fous. Alors tu, tu oublies toi-même et tu t'en fous, tu t'en fous de ce qui se passe, du faible. Ça veut dire que tu es égoïste. Tu vis à chaque jour. Tu es, tu es, tu, ne sais même pas ce qui se passe. Il dit, il veut, il dit Il faut regarder à cause des choses et il faut faire éveiller contre les choses éveillantes. Premièrement, la, la, la, perdition des guerriers à travers, à travers le, péché canal. Le péché canal. Revenons. Éphésiens, Éphésiens 6. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, le verset 12. 6, le verset 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, si nous n'allons pas lutter, alors votre, votre ennemi est le diable. Vous ne luttez pas dans la chair, vous luttez contre les principalités, eh, les principautés. Ils continuent à, eux, toujours, ils cherchent, ils luttent. Ils cherchent les gens à détruire. Si vous dormez, si tu dors, alors, alors, alors le diable va te prendre, va te surprendre. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. Ce sont ces personnalités-là que nous luttons contre. Ce sont ces, ces gens et ce sont ces c'est le système que nous luttons contre. Et il dit, il ben, dit, il dit, par conséquent, il dit, c'est pourquoi prenez donc, prenez sur vous toute l'armée de Dieu, afin que vous, vous, afin que vous puissiez être capable de tenir tête aux mauvais jour et, aux au de conflit au jour des euh, des problèmes, des problèmes. Le jour que tu dois prendre, avoir l'armure dans ces jours mauvaises et ayant tout et, et, et lutter pour, pour vaincre et ayant toutes choses pour tenir debout. Tenez-vous donc, tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité et ayant revêtu de la cuirasse de droiture et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus, par-dessus tout, par-dessus tout, par-dessus tout, prenant le bouclier de foi, bouclier de la foi, vous avez besoin de ça dans votre chair, dans votre propre personnellement. Personne, personne, autre, autre personne, la foi des guerriers, la foi des, membres des prières, la foi des pasteurs ne sera pas suffisante pour toi, ne sera pas suffisante pour toi, toi-même. Il faut avoir une foi personnelle pour être sauvé. Tu dois avoir une foi personnelle pour être sanctifié, il faut avoir une foi personnelle pour être baptisé et aussi immergé dans l'eau. Vous avez besoin de cette foi personnelle pour être, pour pouvoir être, euh, pour être vaincre les, tentateurs, les tentateurs. Il faut être, avoir cette foi personnelle pour être un concurrent, un vainqueur. Alors il dit, au-dessus de tout, prenez la boucle, le bouclier de la foi avec lequel vous serez capable de sous et euh, refouler tous les, tous les tares enflammés du matin, du malin. Voyez ceci ici, regardez-moi ici pour que vous puissiez m'entendre, pour me comprendre. Si quelqu'un manifeste chaque moment la foi pour toi, il dit, il dit, il dit, faut pas t'inquiéter, je suis là pour toi. La personne en de te détruire que de faire du bien pour toi. Il ne te laisse pas de savoir les promesses de Dieu pour soi-même. Il ne te laisse pas de savoir pour aller au trône de grâce soi-même. Il ne te laisse pas, il ne te permet pas chaque moment, d'être, d'être, d'être, de, de, de, pouvoir eh, senser la douleur de cette vie-là, être préparé soi-même. Il dit, je suis là-bas, je suis là-bas, faut pas t'inquiéter, je suis là, je vais faire le jeûne faut pas je vais faire la prière pour toi, je vais faire la, le travail énergétique pour toi je vais développer, je vais développer, je vais développer le muscle, le même muscle spirituel pour toi. Non, il te détruit pour au, au plus que du bien. Il te fait du mal que, que, du, que du bien. À cause des difficultés qui vont venir dans ta vie, les problèmes qui vont venir dans ta vie, les choses que le diable va jeter à toi pour te troubler, pour t'avoir. Cette femme, cette, cette, cette, femme, cette, cet homme, ce pasteur qui, qui dit comme ça à ce moment-là, il ne peut pas t'aider. Tu as besoin de la foi pour se tenir. Tu as besoin de prendre de l'armure de Dieu pour soi-même, pour te tenir toi devant, au-dessus de tout. Tenant, prenant l'armure au-dessus de tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin. Personne ne fera ça pour toi. Alors prenez la casquette du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. Il dit, il va quand toute la parole de Dieu que quelqu'un peut connaître ne peut pas aider toi-même le moment que quand il vient le jour de bataille la parole que tu lis toi-même, que la parole que tu écoutes toi-même, soi-même. C'est la parole que, la manière dont tu, comprends, la manière, la manière, dont tu entends la parole, tu écoutes ta parole, tu l'assimiles. C'est ça qui va t'aider. La puissance dans, cette parole que tu as, qui fut installée, installée dans la parole que tu as écoutée. Et il continue à dire, verset 18, priant toujours en tout et tout temps, tout en prière et supplication en esprit et veillant et veillant, et homme de prière, Jean, soldat le prière veillant, croyant, croyant, veillant, en cela avec toute la persévérance et supplication pour tous les saints. 2 Timothée, 2 2, Timothée chapitre 2, je lis à partir du verset 3 ici. Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est un croyant ici. Ça, c'est toi si tu, es vraiment, si tu es croyant ici, que tu dois être, tu dois endurer la difficulté, les difficultés. Et si quelqu'un là-bas, il est en train d'endurer les difficultés pour toi, toujours il te couvre, toujours il te protège. Et chacun, il est toujours à tes côtés. Quand avant quelque chose devient, il est déjà devant toi. Et toi, tu ne comprends pas maintenant comment personnellement de, de, de, de, vaincre par toi seul. Cette personne qui est sur toi te protégeant, il ne va te permettre, il ne veut pas te permettre de prier soi-même, de lire soi-même, de comprendre soi-même et de résister le diable soi-même. Il est en train de te faire du mal, il est en train de te paralyser. Il dit toi donc, enduis les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. Tu as vécu l'homme de prière, tu es un homme de prière, tu es un soldat et tu es un homme militant pour le royaume de Dieu. Alors, et qui s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat. L'a choisi, choisi pour être un soldat, un guerrier et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné sauf s'il exerce légitimement. Maintenant, nous sommes les soldats, nous sommes les guerriers et nous avons besoin de comprendre, d'entendre que nous devons être éveillants. Maintenant, les guerriers qui dorment, et ces guerriers qui dorment là, ils sont maintenant en danger, ils rentrent dans le danger et finalement ils sont perdus. Je reviens maintenant en juge. En juge, chapitre 16. Les juges, les juges perdus, les guerriers perdus à travers, à travers, à travers la nonchalance. Juge je vous, vous l'histoire ici. Je vais lire seulement deux choses que vous pouvez comprendre. Ce qui s'est passé à, cette, ce grand guerrier. Avant que je ne puisse le vivre, cette personne, cette personne-là, n'était pas un homme ordinaire. C'était l'homme numéro un parmi les enfants d'Israël ce jour-là. C'était le juge de, la terre. Ce n'était pas comme c'était un nouveau converti. Ce n'était pas comme c'est un nouveau converti. Ce n'était pas quelqu'un qui est ignorant de, la, de fait que les, les, Philistins, les Philistins étaient leurs ennemis, les ennemis, et les ennemis de, son, de, ce, de ou bien de son pays. Il savait que les Philistins sont derrière lui, mais il s'est devin Verset 16, 19. 16, 19 de Juge. 16, 19, verset 19. Et il dit, et il dit elle ça c'est sensuel. Et elle l'a fait dormir ça c'est naturel et c'est péché. Ça, il a fait, il l'a endormi. Ça, c'est ça, c'est. Il l'a fait dormir, délilé. Et il s'est fait, il sur ses genoux. Euh, guerrier, que fait-il là? Soldat, que fait-il là? Que fait-il là? Croyant, que fais il là? Où, où, où dormes-tu? Où dormes-tu? Sommeil naturel qui conduit au sommet spirituel et tu t'oublies toi-même. Et tu es dans, la, dans le territoire de l'ennemi. Et le diable cherche un moment important comme si. Et maintenant tu connais. Tu connais chaque jour. Chaque jour, le, jour de fête. Le, moment où les gens, les gens, les moments où les gens oublient d'être comment, être sobre, être honnête, être éveillé, c'est le moment, c'est le moment de la nonchalance, c'est le moment de la charnel, c'est le moment charnel. Et il dit laissez passer la saison, laissez passer ce qui est restreint, laissez passer ce qui est restreint qui, qui, n'est pas permis. Il dit il doit avoir un jour qu'on doit aller en vacances. Les gens, c'est comme ça les gens disent euh, la vacances, vacances, vacances de la lecture de la Bible, vacances en prière, vacances de la euh, d'être sérieux, vacances de la vigilance, il doit y avoir un moment que les gens c'est comme ça ils disent ils disent qu'il doit avoir un moment où ils doivent aller en retraite qu'ils vont penser vont cesser de vont ils vont, ils de penser au royaume au ciel de la Bible de prier il dit s'il y a un moment que vous prendre penser vacances le diable est là et Samson a pris vacances et dit que Samson a, oublié le travail, il a oublié sa, responsabilité dans le pays d'Israël. Et il est parti dans, le territoire de ses ennemis. Il était en vacances. Samson, que fais-tu là? Voyez, pasteur, il y a un moment, nous sommes fatigués et on veut se reposer un peu et on veut rester un peu. Et, et maintenant, quand le moment, le, quand, quand, quand tu vois que tu es fatigué, c'est comme les choses en train de, c'est comme tu, tu eh, c'est comme tu vas tomber, tu vas, tu, vas faillir. Et quand tu arrives à ce moment, de te tomber, il faut, il faut s'asseoir un peu, il faut se relâcher un peu, il faut regarder les choses un peu, parce pas, pas parce qu'on veut le regarder, mais on veut se relâcher un peu. Mais pas parce qu'on va laisser, mais on veut rester un peu. Vous, il est en vacances. On ne veut pas, on ne veut pas lutter chaque mois comme ça on dit c'est comme ça, ils disent, on ne peut pas toujours euh, euh, d'être dans la foi chaque moment. C'est comme ça, ils disent. On ne peut pas toujours continuer à, lutter, à lutter, être dans la justice chaque jour. On va, c'est comme ça, ils disent. C'est ce qui s'est passé à cet homme-là ci Et il l'endormit sur ses genoux et appela un homme, un homme. Et il appela, elle appela un homme. Et il lui fait raser les sept mèches de sa tête. Oh. Qu'est-ce que ceci Qu'est-ce que ceci Regardez ici, s'il vous plaît. Vous, vous hommes, vous hommes, vous allez pour raser vos têtes. Vous allez pour raser votre tête. Et maintenant, vous êtes, vous êtes habitué ici. On parle, et ça, c'est ça que vous, c'est ça que vous faites, ça, que ça, ça, comme ça, ça, c'est normal. Mais il y on parle d'un homme ici qui n'a jamais, qui n'a jamais, il n'a jamais coiffé la tête depuis qu'il est né. Et ce n'est pas, et depuis son enfance, il n'a jamais expérimenté ça. Mais, ce qui est, comme étrange, comme cette expérience était, ce Samson-là n'a jamais fait ça. Il n'a jamais même sensé ça. Il n'a même pas sensé ça. la touche, de, la touche du ciseau, de, de, de, de, la lame ou bien n'importe quoi qu'ils ont utilisé. Il n'a même pas sensé ça. Il n'a même pas sensé ça. Il, a, il s'est endormi. Ça veut dire que Satan peut... Mais peut-être que Satan lui a fait dormir. Ça, veut dire, ça, ça, ça, peut être que les Philistins ont leur fait quelque chose pour dormir tellement, tellement profondément. Et on, a, on l'a rasé la tête on l'a rasé et les méchis de sa tête. Et elle commença de l'humilier j'ai cru que j'ai cru que j'ai cru que chercher de la plaisir charnel et des délits qu'est-ce que et les délits là qu'est-ce que tu fais cet homme là est venu pour la pour le plaisir délits qu'est-ce que tu fais cette délit, délit là qu'est-ce que tu fais c'est pas propre c'est pas c'est pas normal là il est venu pour la vacance il est venu seulement pour le plaisir il est venu pour se relâcher et délit là et il a commencé comment à l'affliger et l'humilier et sa vigueur se retira de lui, sa force. Ce, ce, guerrier qui est perdu à travers le sommeil charnel. Verset 20. Et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et c'est la sympa, la moquerie. Et tu es force lève-toi maintenant. Lève-toi, n'est-ce pas? Lève-toi et maintenant combat les Philistins. des Lilas et les Philistins sont des mêmes pays, ils sont de même culture avec lilas Actuellement, elle était un agent. Vous ne savez pas quand un agent peut venir sur vous. Nous vivons dans un, dans un monde, dans un monde tellement dangereux. Nous, sommes, nous vivons dans un monde infecté, un monde, une communauté infectée, dangereuse. Et un agent peut être envoyé, peut être envoyé vers toi. Et voici, elle était un agent. Un agent. Elle vient dans toutes ses couleurs. Elle savait comme, elle sait comment elle va donner ça. elle va, elle sait comment elle va donner, elle va donner son corps. Elle sait comment elle va faire pour avoir l'homme sur ses pieds. Et elle, pour elle, elle sera. Elle pas, ne, elle ne voulait pas l'argent. Elle ne voulait rien de Samson elle et parce qu'elle voulait l'argent de, de, son pays, de son pays, de ses, de, de, ses, de ces personnes qui les gens qui les ont envoyés, elle était prête à payer n'importe quel prix. C'est ça qu'elle a fait. Les Philistins maintenant, et il, dit Samson, il dit Samson sur toi. Et Samson se réveille de son sommeil. Maintenant c'est trop tard. C'est trop, c'est trop tard Samson. Maintenant tu te réveilles maintenant de son sommeil. ta force est partie. Ta vigueur est partie eh, eh, eh, l'armure est partie. Il faut, te, tu peux te bouger, tu peux te bouger, tu peux faire des cris, tu peux bouger des cris, tu peux pousser des cris, tu peux voir des miracles, euh, des, écritures miraculeuses. Il n'y a pas de puissance là-bas. Il n'y a rien. C'est pas ce que tu dis. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui amène la puissance, la vigueur. Il dit, ce qu'il dit, il dit, il dit, il dit, je manierai comme les autres fois et je me secouerai. Or, il ne savait, euh, il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Mais les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et les lièrent avec les chaînes de bronze et ils tournaient la meule dans la maison des prisonniers l'homme est devenu maintenant un prisonnier. Israël a perdu le guerrier. Israël a perdu leur dirigeant. Israël a perdu le numéro un de la nation. Parce que l'homme là a dormi. Il, s'est endormi à un moment, à, un moment non opportun, dans le mauvais lieu. Il s'est soublé soi-même. Est-ce que tu as pensé à ta vie? les lieux que tu vas sans être sans prier, les lieux que tu vas sans prier, les gens que tu vas, tu interactes avec en contact sans prier, sans, sans, prier, tu marches avec eux. Les gens qui sont tellement faciles avec tes amis et ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent que s'ils pouvaient t'avoir, ils vont t'attraper comme ils ont, comme ils ont attrapé un, grand poisson. Ils vont, et ils vont dire, tu sais ce que j'ai, tu sais ce que j'ai gagné. Tu sais qui est venu dans ma, ma, filet. Tu sais la personne. Ah, cette personne-là, tu ne peux jamais la gâter. Tu ne peux jamais la, voir. Tu vois la personne qui a dormi avec moi la nuit, hier nuit. Tu sais la personne que j'ai vue, qui a vu ma, ma, ma, ma nudité. Ma nudité. Est-ce que tu sais la personne qui a, que j'ai passé le, un bon temps avec hier? tu ne peux jamais avoir ça, tu ne peux jamais avoir, tu ne peux jamais aussi euh, deviner. Maintenant, maintenant, on, fait mention de ton nom. On dit, ah, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est un guerrier de l'église que nous savons. L'église là, ah, tu ne peux jamais, je te dis, ah, tu ne peux jamais avoir une personne de cette église. Tu sais que celui qui j'ai gagné, je peux te montrer le nombre, le, son, numéro sur mon téléphone. Je peux te montrer la communication que nous avons eue. Je peux te montrer celui que j'ai, tu, tu sais que la personne qui a gagné, et il, me fait mention du nom de la personne, dit, ah, ne me parle pas de cette personne, ne me dis pas que tu as gagné la fille de l'église, de, la vie, de la vie profonde, non, je t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai dit, je l'ai préparé, je l'ai tendu une piège, j'ai mis tous les pièges en, route et je l'ai attrapé. Elle, s'est oubliée soi-même, elle s'est oubliée, elle, a oublié les doctrines, elle a oublié leur Bible, elle a oublié les choses qu'elle me disait chaque moment. Parce que chaque moment, je l'ai préparé. Je l'ai tendu des pièces. Je dis, ah non, moi, je suis, de, la vie profonde. Moi aussi, je suis de la vie profonde. Je vais rester avec toi. Je vais venir dans ton église là. Je viendrai dans ton église avec toi. On va aller ensemble dans cette église. En effet, tu vas m'amener auprès, auprès de ton pasteur et tu vas me racheter. On veut te racheter, toi. tu seras perdu comme quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui est insensé, un insensé guerrier. Tu ne connais pas la valeur de ta vie. Et à cause de cela, tu seras perdu. Je prie que tu ne sois pas perdu au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un sur cette journée Est-ce que je parle à quelqu'un ici Au nom de Jésus, tu ne seras pas perdu au nom de Jésus. Maintenant, regardons 1 Samuel. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. 24-2. Euh, du 1 Samuel 24, verset 2. Alors Saul prit 3000 hommes d'élite de tout Israël et alla chercha, chercher David et ses hommes sur les rochers des Bouquetins. Et il arriva au parc à moutons le long du chemin. Et il y avait là une caverne, dans laquelle Saul entra pour se couvrir les pieds. Et David et ses hommes se tenaient au fond de la caverne. et dit l'histoire, ça veut dire Saul était cherchait David. Saul devait, devait penser à ce qu'il entendait faire, numéro un. David n'était pas, ce n'était pas un homme, un citoyen ordinaire de la terre, un, un, jeune homme qui a tué, qui a tué le lion soi-même. Il faut le craindre. Un homme qui a tué l'ours lui-même, faut le craindre. Un homme qui est sorti quand Goliath était en train de se moquer de toute personne, et même Saul n'a même pas pu voir se tenir devant Saul, euh, Goliath, mais euh, David a dit, moi je vais le finir. Moi, je vais me faire face à lui. Cet ennemi, cet inconcis-là, je vais le finir. Moi qui ai tué l'ours et le lion, cet, ce, ce Philistin incirconcis sera seulement un prix, sera seulement une nourriture pour les, pour les oiseaux du ciel et Saul a vu cet homme-là. Il a, il a vu que cela s'est fait. Il a tué et tout le monde, toutes les, les femmes ont chanté une chanson disant que ah, cette personne qui a tué, il a tué des milliers, des milliers et Saul a tué seulement que un mille, euh, seulement que mille. Mais Saul devait savoir que il fait face à un grand nombre. C'est pourquoi il dit dans Saul, euh, verset 2. Alors Saul prit 3000 hommes d'élite de tout Israël et il cherchaient David. Il savait qu'il ne, ne faisait pas face à un homme ordinaire, mais il n'a pas pensé bien. Et alors, et il, il, est parti, mais il allait maintenant au parc pour, pour couvrir ses, pieds. Et quand vous êtes close, vous êtes tellement proche, proche, proche d'un ennemi. Mais cette personne-là, vous avez, vous avez beaucoup tu as, beaucoup, beaucoup de, soldats, mais cette personne que, qui, cette personne que tu, cherches, tu es contre, cette personne n'a pas beaucoup de soldats, mais cette personne-là est comment Il est tellement expérimenté, il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de choses. alors, il faut pas dormir. Mais ce qui s'est passé, il est, venu, il est parti pour dormir. On nous, dit que, on nous, a, dit que David est venu. Euh, David est venu. Et les, David est venu pour le voir. Et les hommes de David lui dirent, voici le jour dont le Seigneur t'a dit Voici, je livrerai ton ennemi en ta main, afin que tu puisses lui faire selon qu'il te tiendra, te, te sembla bon. Et David se leva et coupa secrètement le pan de la robe de Saul. L'homme était endormi et David a coupé une partie secrètement un pan, un pan de la robe de soeur pour lui montrer que quoi, roi, sol, mon père. Est-ce que tu as dormi Oh Sahul, tu es en train de dormir Ces 3000 soldats-là, vous tous vous dormez Oh jai dû venir là-bas, oh. David est parti là-bas. Personne de ces 3000 soldats autour de Sahul lui a vu tous étaient endormis. Quand, quand les gens dorment, les gens autour de toi, à l'église, les gens, à tous ceux qui doivent être éveillés, tout le monde dort. Et, et maintenant l'ennemi est venu. Et on, je remercie Dieu, David, je remercie Dieu, David avait la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Il devait le finir, il devait, il devait le tuer parce qu'il n'était pas conscient consigne de l'approche de, qui venait. Il nous dit dans le verset 11. Verset 11, il dit de plus, mon père, regarde, regarde, regarde le pan de ta robe à ma main. Ta, ta vie était dans ma main. Tu es, un, grand guerrier et toute la nation t'a choisi pour que tu puisses être devant eux, pour tu vas être devant eux. Tu seras le premier guerrier dans le pays d'Israël. Mais guerrier numéro un, tu étais, t'es endormi. Et maintenant, dans, ton entourage et les gens autour de toi, et ceux qui doivent, aussi euh, euh, s'éveiller, tout aussi endormi. Ça veut dire que, ça veut, regarde, il y a le pan de ta, robe dans ma, dans main car en ce que j'ai coupé le pan de ta robe, et il n'est pas tué, et il n'était pas tué sache et vois qu'il n'y a ni de mal ni de transgression en moi, et que je n'ai pas péché contre toi. Et cependant, tu fais la chasse à mon âme pour la prendre. Chapitre 26. Chapitre 26, verset 4 de 1 Samuel. Et David envoya donc des espions. Et comprends ceci là et compris avec la certitude que sa sol était arrivé. Est-ce que, est que tu es, sage luttant contre cet ennemi ça, Voici Sol ici, le numéro 1, le numéro 1 de la nation, de la nation qui était en train de lutter contre un homme et cet homme qui luttait contre là était vraiment vigilant, tellement intelligent, tellement sage est tellement vigilant. Et il a envoyé les espions. Va les regarder. Va voir est-ce qu'il est actuellement euh, proche. Quand vous luttez contre un, un diable qui est vigilant, vous luttez contre un démon qui est tellement, qui est tellement, qui, a beaucoup d'expérience. Ils sont là, ils étaient dans ce monde ici avant que tu ne sois né. Et ils ont lutté, ils ont fait beaucoup de batailles et ils ont vaincu beaucoup de personnes. Maintenant, tu vis une vie simple. Tu, tu, tu, tu, tu n'es pas éveillé. Tu n'es pas éveillé. La vie, la il peut, il peut savoir que, il peut savoir que toute l'année là, l'année va vers la fin. Tu n'as pas, tu n'as jamais, tu n'as jamais jeûné. Chaque mois, tu ouvres la Bible. Tu, quand, maintenant, tu ouvres la Bible. Quand tu ouvres la Bible, tu lis certains versets, certains versets, certains petits versets, et tu dis maintenant, au nom, au, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et tu es maintenant, tu sors dehors, tu vas, tu t'en vas. Mais David a envoyé des espions pour le voir ceci. cest dire il a dit en verset 7, il dit ainsi David. Et Abishai, Abishai vint de nuit vers le peuple. Et voici, Saul, Saul dormait couché. Euh, donnez-moi le, mot là. Dormait. Il dormait, il dormait comment Dormait couché. Il, dormait couché dans le retranchement. Et sa lance était placée en terre à son cheveu Et Abner et le peuple était couché autour de lui. et tous, dormaient. Abna dormait. Tous les gens autour de lui aussi dormaient. Et Saül lui-même dormait. C'était la nuit. Et, euh, c'était la nuit. Alors qui, est, qui, va être éveillé Je ne sais personne qui doit être éveillé la nuit. David. Il y a personne qui ne doit être éveillé la nuit. Abishai. Les gens sont de ce des gens qui savaient que nous, nous luttons. Ils savaient que l'homme en train de lutter. Et ils nous, nous attrape, s'il nous attrape, s'il se saisit de nous, alors nous, il, ne, ne, va pas nous pardonner comme nous l'avons pardonné. Il va nous prendre. Et là, l'entité, ce que Dieu l'a donné et mis, ce serait, oublié. Parce que sa huile va se débarrasser de David. Regardez, regardez, la, regardez, regardez la main de Dieu sur toi. Regardez le travail que Dieu t'a donné, le, le, devoir que Dieu t'a donné. Le diable va juger. Le diable, les démons commencent à lutter. Ils vont lutter. Faut pas, faut pas faire. Il vont Faut pas aller comme un homme ordinaire. Tu dis, oh, moi, je suis, je suis, je suis un homme simple. en effet, je peux, je peux dire n'importe quoi de ma vie. Je ne, crains personne parce que, parce que j'aime tout le monde et tout le monde aussi même... Est-ce que tu penses ça? Tu crois en cela que tout le monde t'aime? Hein, les gens remplis de démons t'aiment et les gens qui ont, qui, qui, ont, avalé Satan, tu crois qu'ils t'aiment? Est-ce que tu n'aimes pas tout le monde qui a aimé Jésus? Judas Iscariot n'a pas aimé Jésus. Caiaphas n'a pas aimé Jésus. Et ces personnes qui voulaient crucifier Jésus-Christ, ils ne l'ont pas, n'ont pas aimé Jésus-Christ. Même les gens qu'il a guéris et même les gens qu'il a, il a délivrés, ce n'est pas tous qui l'aimaient. Et si, si, tous n'ont pas l'aimé, si tous n'ont pas l'aimé, et tu dis tout le monde t'aime, non, est-ce que tu penses ça là David était vaillant. Quand, euh, pendant que Saül dormait, tu ne veux pas dormir. J'ai dit, tu ne vas pas dormir. Et ce diable ne va pas t'attraper. Ces démon ne va pas se trapper hein. Et la, main de Dieu sera sur toi. La puissance de Dieu sera sur toi au nom de Jésus. Et voilà ce, ça Saül ici. Il était endormi. on nous a dit en le verset 16 ici. Verset 16 ici. Regarde ce qu'on nous a dit là-bas. Voici David ici. C'est David qui lui parle. Et c'est ceci là, n'est pas bon. Que ceci, il dit ce que tu as fait n'est pas bien de même que le Seigneur est vivant, vous êtes digne de mort, parce que vous n'avez pas gardé votre Seigneur. Loin, loin du Seigneur. Et maintenant, regarde où est la lance du roi ainsi que la cruche d'eau qui était à son cheveu. Et Saul reconnut la voix de David et, et dit, Est-ce que bien ta voix, mon fils David et David dit, c'est ma voix, mon Seigneur, ô roi. Vous, savez, vous connaissez l'histoire déjà. Le point que je fais ici est que sa huile s'endormit. À un moment, ce n'est pas un bon move, pas un, temps opportun. Est-ce que tu cherches quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qui est perçu, dans ta vie que tu as entendu, train, tu contrôler est-ce que tu as un trésor en toi Est-ce qu'il y a quelque chose d'important Est-ce que la main de Dieu est sur toi Est-ce que tu es appelé à une chose importante est-ce que tu dois acquérir quelque chose que aucune, autre personne peut acquérir Est-ce que tu sais que le diable va te poursuivre Est-ce que c'est que les principautés de la sculpture vont te suivre Ils vont chercher pour voir quand tu vas t'endormir. Les choses vont changer et tu seras éveillé à partir de cette nuit. Loin, loin va euh, la puissance et sera sur toi, et euh, loin sera sur toi au nom de Jésus. Cette, cette, cette nuit, tu vas te réveiller. Et quand, euh, quand, quand le, grand de Dieu est loin de Dieu, est, est déjà là, alors il sera avec toi et tu construis tu es avec toi au nom de Jésus. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 5. Éphésiens 5, 14. 5, 14. 5, 14. Il dit, 5, eh 14, il dit, il dit, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, élève toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et eh, tu es là. Christ va te donner la lumière. Il va te donner la puissance. Il va te donner la protection. Mais tu dois être éveillé. Point numéro 2. Avertissement contre, contre, contre, contre le sommeil, le sommeil contre, le sommeil, le sommeil condamné de soi. Le sommeil condamné de soi. Esaïe 56. Esaïe 56. Esaïe 56. Esaïe 56. Je, lis à partir du verset 10 et 11. Esaïe 56, le verset 10 et 11, il dit quoi Ces sentinelles sont aveugles elles sont toutes des, sont toutes ignorances. Ce sont toutes des chiens muets qui ne peuvent aboyer, dormant, se tenant, couchés, aimant, assommer. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui aiment dormir plus, plus que leur travail. Ils, sont, ils aiment dormir plus que leurs responsabilités. Ce sont des sentinelles. Regardez ces sentinelles ici là. Ils étaient, ils, ils, ils étaient nonchalants, ils dormaient. Et il dit maintenant, oui, ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez. Et ils se sont des bergers, il doit doivent, être. Et ceux qui, qui, ne, peuvent pas comprendre, ils se sont tous dormés, tournés vers leur propre chemin. C'est comme ça on parle l'égoïsme L'égoïsme, chacun pour son propre fou, ça c'est l'égoïsme, jusqu'au dernier. Et, et venez, disent, et je cherche un quand vous êtes, vous êtes fait, vous êtes fait sentinelle, sentinelle autour, pour toutes choses qui, Maintenant, on veut regarder ce qui est personnel, question qui est profitable, personnel. Et ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose, qui est propre. Hein. Vous ne regardez pas à chose que Dieu vous a donné. Ça, ça veut dire c'est l'égoïsme. Na, Nahum. Nahum 3. Nahum 3, vous savez que Nahum, c'est un c'est un prophète mineur dans l'Ancien Testament. Nahum, allez, Nahum, vous voir Nahum. Nahum, nous regardons chapitre 3. Chapitre 3, nous lisons à partir du verset 18. Ah, Nahum, chapitre 3, le verset 18. Il dit, Tes bergers sommeillent et sommeil au roi d'Assyrie. Tes hommes illustres demeureront dans la poussière. Voyez, c'est, les bergers. Nous, devons être éveillés, nous devons être sobres. Et il dit, et sont tes hommes illustres demeureront. Ton peuple est dispersé. peuple, ton peuple est dispersé sur les montagnes et personne ne les rassemble. C'est la conséquence ici des personnes qui sont qui dorment. Et le Seigneur nous a, nous a fait sentinelle. Il a fait, il a fait de nous des sentinelles. Il a dit éveille, Ézéchiel, Ézéchiel. Si vous êtes, si vous êtes pasteur, il faut être, euh, faut être sentinelle. Vous êtes, vous êtes père, vous êtes sentinelle. Si vous êtes une mère, soyez sentinelle pour vos, si vous, pour vos enfants. Si vous êtes une femme, tu es sentinelle, tu es, sentinelle pour ton mari. Marie, Marie sur ta femme, tu es sentinelle pour ta, ta femme. Maître, maître sur tes élèves, tu es sentinelle sur les élèves. Est-ce que tu es, euh, tu es la cellule des maisons, dirigeant des cellules de maison, celui des maisons, dirigeant des cellules de maisons. tu es sentinelle là-bas. Pasteur, tu es aussi sentinelle là-bas pour tes membres. Et tu es sentinelle et tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, ce qui tu ne sais pas ce qui se passe avec les gens que tu regardes, tu surveilles. Ces personnes vont rentrer dans le danger. Ézéchiel chapitre 3, 3, 17. Ézéchiel 3, le verset 17. Il dit quoi Édifice de l'homme, je t'ai établi centenaire sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu étendras, tu entends la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément. Euh, arrêtez-vous là-bas. Ézéchiel tu es un sentinelle sur la maison d'Israël. Ézéchiel, un sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu, dit, si moi, j'étais fait un sentinelle, j'ai fait de toi un, je établi sentinelle sur la maison d'Israël. Et Ézéchiel était, a seulement toute la vie ça gens qui certaines personnes se nomment des bergers, des, prédicateurs, des pasteurs, des, des sentinelles, des bergers, et Dieu ne les a pas appelés mais il dit, ah, Ezekiel, Ézéchiel pouvait dire, ah non, il y a beaucoup de sentinelles, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prédicateurs, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup nombreux, alors je peux faire un peu de choses, et je, vais, aller, euh, je vais aller aussi et m'endormir. Non, Ezekiel, tu ne peux pas les faire parce que le Seigneur ne, les a pas dans la voie, il ne les a pas donné la permission d'aller faire ça. Il a dit, Ezekiel, c'est toi, qui, qui faire, toi qui dois le faire dans son propre temps en son propre euh, à son propre génération. Il dit Ézéchiel, j'étais établi à ce temps de ta vie, j'étais établi un sentinelle sur la maison d'Israël. Et écoutez, écoute la parole de ma bouche elle donne avertissement. Et ces personnes qui, qui, qui, se, qui, se, il dit que je suis pasteur, les autres personnes qui disent je suis pasteur, je suis professeur, je suis je ne sais pas dans la parole. Ils peuvent dire n'importe quoi qu'ils veulent dire. Mais toi, tu vas écouter la parole de ma bouche, tu vas donner l'avertissement. Quelqu'un peut te parler, quelqu'un quelqu'un te dit, euh, prends, toi, prends ça doucement, tu n'as pas le sel. Comment tu sais Il n'a pas le sel Il dit, oh, oh, oh, prends doucement, va doucement, va doucement, il y a d'autres personnes. Où est cette sentinelle? Il y a d'autres sentinelles. Est-ce qu'il sait que quand, comment tu fais Il qu'il y a d'autres sentinelles. Il dit, Ézéchiel, lève-toi, réveille-toi, sois sobre et va dans ton travail. Verset 18, il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras sûrement, et que tu ne l'auras pas averti, et que tu ne l'auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin, afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité. Mais je redemanderai son sang de ta mère. Toutefois, si tu l'avertis, si, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, si tu l'avertis, si l'avertis le méchant et il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa mauvaise chemin, de son mauvais chemin, et il mourra dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. Il dit encore, Ézéchiel, il dit, quand quelqu'un, quand quelqu'un quelqu'un, qu'un homme ne se détourne pas maintenant. Il dit de même, si un homme droit se détourne de sa rectitude et commet l'iniquité et que je mets une pierre d'achoppement devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra de son péché. Et sa rectitude qu'il a fait ne sera plus en moi, mais je lui demanderai son sang de ta mère. Nous regardons maintenant Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13. Lisons à partir du verset 24. Matthieu 13, verset 24. C'est la parabole la parabole que Jésus-Christ les a donnée ici. Il leur proposa une autre parabole disant, le royaume de est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans les champs, dans son champ. Il parle de quoi Il parle d'un prédicateur qui prêche la saine doctrine. La, doctrine biblique, scripturelle, biblique, les et je remercie Dieu, je remercie Dieu que tu es fidèle à la parole. Tu donnes, tu donnes la, parole propre. Regarde ce qu'il dit, mais, mais, mais, regarde ce qu'il a dit, verset 25. Il dit, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et s'aimant de livrer, parmi, les, parmi le blé et s'en alla. Pendant que les hommes dormaient, pendant que le prédicateur dormait pendant que le pasteur dormait. Et ils sont venus, ils sont venus euh, facilement. On a prêché la bonne parole. On a prêché la sainte doctrine. On a, on a prêché ligne par ligne, ligne par ligne. On les a dans la parole. On, on, a, on a plus que lu de, de, Genèse en, en, en Apocalypse. On a on a, on a fait référence, on a parlé des références de toute la Bible et on a connu toutes les interprétations de la Bible. Maintenant, je peux aller en vacances. Maintenant, je peux rester. Maintenant, je peux être inconscient de, de, mon travail, de mon rôle. Non, tu ne veux pas t'exorcer. Tu ne veux mettre beaucoup de pression sur toi. Bien sûr, tu peux aller t'endormir. Quand, quand les gens dorment, mais quand les hommes dormaient, les jours aussi qui le supportent, les, ministres supportants, qui l'aident. il dit, dit chaque mois, nous avons des programmes. Chaque, chaque année, regarde les programmes que nous avons. Et regardez notre, regarde nos programmes, regarde nos programmes. Qui peut dire qu'on n'a pas bien beaucoup travaillé, on n'a pas beaucoup de choses. Je pense qu'on doit rester un peu. On doit rester un peu. Il dit, pendant que les hommes dormaient, son ami vint et s'en main délivré parmi le blé. Et s'en alla mais quand mais lorsque le brin sortit et qu'il produisit du fruit alors l'ivraie parut aussi l'ivraie l'ivraie ça veut dire que la graine mauvaise, elle ne peut pas se sortir visiblement. Vous êtes un pasteur et vous avez ces, euh, vous avez ces ouvriers. Pourquoi devons-nous avoir euh, le, euh, les ouvriers, les euh, réunion des ouvriers chaque samedi. Les gens qui sont ignorants, ils, ne connaissent, la parole de Dieu. Et tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils ont connu selon, selon la parole de Dieu, ils ont, ont, ils ont vu beaucoup de choses. Et je crois qu'on doit rester un peu. On doit rester certains mardis. Et les gens continuent comme ça. Vous serez surpris que l'ennemi en train de, de, s'aimer les vrais. Lui, il ne reste pas lui ne va pas en vacances, lui ne reste pas, il ne se repose pas. Avant que tu le saches, tu vas voir que l'ennemi a, quand tu te rends compte de ses livrets, c'est trop tard. Verset 27, il dit, les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, si, il dit, il dit, il dit, monsieur, sire, il dit, sire, il dit, monsieur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Et il leur dit, un, un ennemi a fait cela Est-ce qu'il y a des ennemis de l'évangile Oui. Est-ce y a des faux prophètes dans, la nation Oui. Est-ce qu'il y a des faux prédicateurs Oui. Est-ce qu'il y a des Jézabel Oui. Est-ce qu'il y en a euh, des gens qui vont euh, gâter la nourriture, le champ Oui pendant que les gens dormaient, ils sont en travailler. Et il dit, et il dit, il dit, oui, c'est bon. Et les serviteurs disent, veux-tu donc que nous allions la rassembler Veux-tu donc que nous allions la rassembler Mais il dit, non, c'est trop tard. Il dit non, c'est trop tard. Vous n'avez pas découvert ça. Vous n'avez pas découvert ça de cette, la, au, commencement cette mauvaise idée là, cette mauvaise idée est partout. Ces sorciers sont venus au, parmi nous, parmi nous, les, parmi nous, les ouvriers. Il y a beaucoup. Les esprits familiers sont parmi nous, parmi les gens qui sont des ministres, et ministre de Dieu. Tu vas dire, ne, pas, tu ne pas dire gauche et droite. Parmi les gens qui disent que nous sommes consacrés, nous sommes commis, nous devons travailler pour Dieu. Il y a, il y a un Simon là-bas, Simon le sorcier parmi vous, parmi vous. Il a, laissé tout, il suit Philippe. Vous n'allez pas dire si vraiment il parle de la même langue que lui ou pas. Il, il, il parle de la même doctrine. Il, il parle de même programme. Et il publie lui-même comme je suis, je suis parmi eux. Maintenant, pour les, déraciner, ça va prendre beaucoup de choses que vous, toi, tu ne peux faire. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas dormir. Tu ne dois pas dormir. J'ai dit, nous n'allons pas dormir. C'est la raison nous devons être éveillé Je ne dis pas que quand vous êtes fatigué, vous, tu ne seras pas fatigué. Ceux qui entendent au Seigneur, espèrent en le Seigneur, ne seront pas fatigués. Le Seigneur va donner la force. Il leur donne la force. Ils vont courir. Ils ne vont jamais, ils ne vont jamais, ils ne sont jamais faibles. De qui parle-je? De qui je parle? De qui je parle? Tu vas marcher, tu vas travailler, tu ne vas jamais faillir au nom de Dieu. Ce n'est pas le moment d'être, de faillir. Nous devons être éveillants. Pensez de l'apôtre Paul ici. Regardez les grands travaux qu'il a fait, les grands travaux, les grands travaux qu'il a fait. Galate. Galate, 1. Galate, 1, 6. Galate 1, le verset 6. Il dit, je suis émerveillé. Que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui vous a appelé en la grâce de Christ vers un autre évangile. Paul, Paul était avec eux. Il a prêché pour eux il a parlé de paroles de ligne en ligne d'évangile d'Évangile. Il était, il était parti il est parti pour travailler dans un autre lieu. Il n'était pas en vacances. Quand il est revenu, il a vu autre chose. Et un ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi eux. Et il a dit, ah, je suis émerveillé. Que vous vous soyez si rapidement. Pourquoi je vous ai laissé? Ou pourquoi je suis parti dans un autre lieu pour prêcher la parole de si, si, si, si, rapidement éloigné de celui qui vous a appelé à, ça, à la grâce de Christ vers un autre évangile, lequel n'en est pas un autre. Mais il y en a à quelqu'un qui vous trouble et qui voudrait pervertir l'évangile de Christ. Mais, si, mais, mais, où un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, ainsi je le dis maintenant à nouveau, si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre évangile que celui qui vous, que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Regardez chapitre 3, le verset 1. Chapitre le verset 1 des Galates. Galates chapitre le verset 1. Il dit, oh Galates, ô oh Galates insensé qui vous a, qui vous a ensorcelé Paul est-il parti quelque part pour prêcher la parole. Il est venu, il a vu une autre chose. Il a dit, ah, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois Vous, Galates insensés, qui vous a pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vous, devant les yeux duquel Jésus-Christ a été si clairement exposé, crucifié au milieu de vous. Il dit, dans verset 3, il dit quelque chose. Il dit, êtes-vous si insensés ayant commencé dans l'esprit, êtes-vous maintenant rendu parfait par la chair Avez-vous souffert tant de choses en vain si, si, cependant c'est en vain. Et il dit encore, il nous dit maintenant nous-mêmes, dans le chapitre 4, chapitre 4, le verset 14. Il dit, chapitre 4, chapitre 4 le verset 14, il dit, et ma tentation, mais ma tentation qui était dans, dans ma chair. Vous ne l'avez pas méprisé ni rejeté, mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, c'est-à-dire comme Christ Jésus. Et, ce que le Paul dit ici, il dit, je suis parti, je suis surpris, je suis parti quelque part pour travail. Je ne sais pas ce que je dis pour de vous. Il essaie un peu, vous devez me faire comme un, comme un Dieu. J'étais avec vous et je vous ai révélé de la grande valeur de, la, de Dieu, le mystère du royaume de cieux. Et vous, m'avez pris comme un ange. Vous m'avez pris comme, comme plus que Christ Jésus-Christ lui-même. Et les gens, les gens m'accusaient et vous êtes en train de, vous êtes en train vous êtes en train de, de faire l'idolâtrie et vous dites que que ah, nous aussi nous avons un, quelqu'un comme nous comme comme Christ verset 15 il dit où est donc la félicité de vous dont vous parlez Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous auriez arraché vos propres yeux et que les auriez donnés. Me les, auriez donnés. Donc je suis venu votre ennemi. Il dit donc, suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité Il vous a mis de zèle, mais avec de bonnes intentions quand Paul était éveillant, pendant que Paul était éveillant, d'autres personnes sont venues, les ont infectés. Et il dit maintenant, vous aimez de zèle, mais pas de bonnes intentions. Oui, ils veulent vous exclure, afin que vous puissiez les moi, Verset 18 maintenant. De mouvoir. Verset 18, il dit, mais il est bon d'être toujours ému avec zèle dans une bonne chose, et pas seulement lorsque je suis présent avec vous mes petits-enfants, verset 19, pour lesquels je suis de nouveau en travail d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je désire d'être présent avec vous maintenant. Et de ton, car je suis dans la doute quant à vous. Les ennemis sont venus. Je me tiens à doute quant à vous. Quand les hommes, pendant que les hommes dormaient, la pollution est venue, la sueur est venue. Je tiens, je suis dans la doute quant à vous. Chapitre, chapitre 5, chapitre 5, le verset 7 de Galates. Il dit, vous croyez bien, qui vous a empêché pour que vous n'obéissiez pas à la vérité Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Les ennemis sont venus. Ils ont choisi. Si vous êtes un pasteur, ils vous ont, choisi. Si vous êtes un leader, si vous êtes parti dormir, si vous n'êtes pas éveillant, n'êtes pas sobre, les gens qui doivent être éveillants, et vous croyez que ah, tous de vous qui qu'ils sont bien, je crois qu'ils connaissent la vérité, et je les, on, les a donné ligne, ligne par ligne, personne ne peut pas les confus, les gens de la vie profonde, ils connaissent la parole de Dieu, la, Bible de ligne en ligne, de page en page. Aucun danger. Est-ce que tu penses ça? Est-ce que, que, tu les as enseignés plus que Paul a enseigné les gens là-bas? Quand les gens, pendant que les gens dormaient, les ennemis vont venir vous êtes un peu... est-ce que vous, êtes éveillé sur vos enfants Oh, je donne la parole. Je me rappelle quand c'est quand ils viennent dans les vacances, chaque matin ils vont faire la dévotion, ils vont ils vont conduire la famille dans la, prière matinale. Ça me dire les laissent. Et maintenant quand les gens dormaient, ma mère, est-ce que tu surveilles tes enfants, sur tes, tes filles, tes filles Oh, je crois à ma fille, tu seras surpris tu seras pris. Quand, pendant que les hommes dormaient, les ennemis sont venus et se m'ont délivré Que le Seigneur te pardonne ton, ton, ton, ignorance passée. Et ce, à partir de ce jour-là, nous serons réveillés, nous serons sobres. Je dis, on va se réveiller. Et tu vas, tu vas éveiller, tu seras vigilant au nom de Jésus. Point numéro 3 maintenant. Point averti maintenant, la vigilance contre, contre le sommeil spirituel la vigilance contre, contre le sommeil spirituel. La contre le sommeil spirituel. Proverbe. proverbe. Proverbe. Proverbe 10. 10, 5. Proverbe 10, 5. Il dit, celui qui amance en été est un fils sage, mais celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. Ça, c'est le moment de, de c'est le moment de la moisson. La moisson est tellement grande. Et je remercie Dieu, Dieu a mis ta main sur toi. Frères et sœurs, tu es un gagneur, tu es un, tu es un amanceur. Tu ne vas perdre dans ce moment d'amancement au nom de Jésus. Dans Jérémie, Jérémie, Jérémie 5, Jérémie 5 le Seigneur a une, controversie euh, controverse dans la vie d'Israël. Verset, verset 24. Verset 24 de Jérémie 5. Il dit, ils me disent, ne disent pas non plus dans leur cœur, craignons maintenant le Seigneur notre Dieu qui nous donne la, la pluie, la première et la dernière en saison, et il nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Il nous a donné cette opportunité il y a du réveil dans notre église. Et tu, fais partie de, cette, ce réveil. tous les gens, tous les hommes, tous les enfants, toutes les femmes, toutes les femmes. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait. C'est le moment de la, de la, C'est le moment de, de récolter. Ah, tu ne peux pas dormir en ce moment de, de la récolte. Tu vas te réveiller et tu seras un amanceur. Tu vas euh, tu vas récolter tout ce que Dieu a fait. Ça serait un euh, remboursement pour ton Esaïe. Esaïe, sois éveillé. Sois éveillé. Et mets, mets quelque chose en zion. Tes vêtements bien, bon, belles. Tes vêtements beaux, tes beaux vêtements. Parce que le moment arrive les, les incirconcis et les gens qui ne sont pas saints. J'espère votre Amen. Il dit secouez-vous du, de la poussière et, et asseyez-vous. détachez-vous de la captivité. Toi, captive Zion, tu es libre à partir de cette nuit maintenant. Verset 3. Il dit Car le Seigneur dit vous avez, vous êtes, vous êtes vendu pour rien. Et maintenant, vous vous aurez, euh, vous vous vous la rédemption. Et de quelle beauté en ces choses que vous êtes au pied de Dieu, qui nous donne de bonnes choses. Et il publie la paix et qui amène de bonnes choses et de bonnes choses. Et qui publie de salut, qui dit en, son, en Zion votre temps ton, règne. Tes sentinelles aussi seront veut. Il ne veut pas dormir encore. Euh, le sommeil spirituel est parti. C'est à la fin. Oui, le sommeil naturel, le sommeil euh, du corps, oui, c'est vrai, ça va, ça venir au temps normal. Mais spirituellement, non et, Dieu va à une seule voix, ils chanteront gloire à Dieu, ils vont se voir, ils vont te voir, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de compte, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de tension entre eux, il n'y a pas de rivalité entre eux encore au nom de Jésus. Et nous serons en émerveillement. C'est pourquoi il dit encore, et on doit voir ça maintenant, on doit faire ça maintenant. Verset 11, dit, il dit, il dit, retournez-vous séparez vous deux. Ne touchez à, rien d'impurité et sortez du milieu d'elle. Soyez, soyez saints, soyez purifiés et vous avez que des vases de Noël à utiliser loin de Dieu. Et toute, euh, toute faiblesse spirituelle va partir au nom de Jésus. Et ce que vous avez perdu au moment que vous dormiez les grands trésors que vous avez perdus, le Seigneur va restaurer toutes choses à, à tout le monde aussi au nom de Jésus. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, 15, 34, 15, 34, 15, 34, et dit, et dit, réveillez-vous à la droiture et ne prêchez, et ne pêchez pas. Réveille-toi, ne pêche point encore ceux qui, ceux qui, ceux qui espèrent en Dieu ne sont jamais faillis. Le, le, en temps de venir dans quelqu'un, on dit la puissance vient en quelqu'un maintenant. Et tout ce que tu as perdu, c'est le moment de, recouvrir tout ça là. Où es-tu maintenant Où es-tu là Où es-tu là Mets-toi debout maintenant et recouvre ça. Mets-toi debout maintenant et recouvre ça. Recouvre, euh, éveillez, Éveille. L'éternel t'appelle. Nous avons dormi trop. Nous avons, nous étions en vacances et tu étais en train de dormir en sommeil. Regarde ta vie et regarde les choses que tu as perdues. Et tu dis, Seigneur, au oh Seigneur, c'est moi voici, je ne vais pas dormir encore. Je ne veux je ne plus en sommeil encore. Je suis maintenant éveillé. Je suis maintenant éveillé. Ah, je veux, je veux que tu me réveilles. Et tout ce que j'ai perdu spirituellement, je reprends ça là. Donne-moi ça. Euh, guerrier, lève-toi. Soldat de Christ, lève-toi croyant, croyant et amenseur, lève-toi. Et celui qui est le Seigneur, et, et, le Seigneur dit, il le fera comme il a promis, il va te donner la restauration pleine au nom de Jésus.